difficile accès à la terre pour les femmes, les responsables du parti de la construction et de la solidarité SS Djengou Tabaka Sénégal de Boubacar Kamara déplore. Par rapport à l'accès à la terre, c'est un problème, c'est un problème désastreux, un problème malheureux que vraiment qui est regrettable. Nous allons nous battre. Nous appelons à toutes les femmes de s'unir pour cette lutte. Sincèrement, nous allons nous battre, nous particulièrement, puisse autoriser ces femmes l'accès à, la terre. Il préconise d'ailleurs un audit et une réforme sur les services qui s'activent dans le foncier pour mettre fin aux litiges. Au niveau de PSS Djengou dans notre programme Tabar, nous avons proposé une réforme profonde de la gestion foncière en procédant d'abord au recensement de tous les titres fonciers et aussi tous les services centraux doivent être uniformisés pour qu'il y ait plus de transparence dans l'attribution. Mais en attendant le règlement de ce problème, ces responsables promettent d'accompagner certaines femmes de leur parti formées en transformation de fruits et légumes et de céréales locales par la mise à leur disposition de terres au niveau du département de Sédhiou. On a voulu très prochainement organiser n'est-ce pas, un séminaire de réflexion sur comment permettre aux femmes de PSS Tabakh d'avoir, n'est-ce pas, des terres pour pouvoir des terres cultivables. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier nos responsables de Dialokunda qui ont gracieusement mis à la disposition des femmes de PSS Djong Tabar un champ. Nous avons formé plus de 50 femmes à Malika. Nous avons formé également 50 femmes au niveau de Yombol Sud sur la transformation fruits et cette manifestation a servi également de tribune aux responsables politiques Serigne Moustapha Sissé, ancien responsable de Benoboko Yakar à Yeumbeul Sud, d'annoncer son adhésion au PCS Django Tabak Sénégal. La coalition dit Benno Bokk Yakar. j'ai démissionné. À partir d'aujourd'hui, euh, je suis avec le président Boubacar Camara du parti Djengou. Un acte bien salué par les responsables de ce parti qui promettent de l'accompagner. Théodore Semedo, Padoua, Walfagri.

en fait loolu soo gisee ñu di ko wax damay ne violence faite aux femmes la da ngay nekk jigéen ñu ñàkkal la fayda te boo demee si terre bi jigéen ñi li ci gën a metti ñoom ñoo koy def dangay gis jigéen boo xamante ne borom këram dafay génn àdduna bu ñuy def milaas sax da ngay gis ne suuf si dañ ko koy aye du ci sax bokk donc ñu gis ba léegi discrimination dafa am fii si suñu réew ñoom ba tey yëkkati nañ seen kàddu di wax jot na fu mu toll nii ñu daal di def audit ci suuf si waaye tamit boole bépp service bi nga xam ne moo ci yëngatu ngir ñu mën a daxal fi coow li nga xam ne saa su nekk day am ci mbirum suuf. moo tax ñun ci suñu programme tabax. ak le président Boubacar kamara dañuy woote soppite boo xam ne moom la ñu indi.

ñu ñëw doon def remise des diplômes ci brave dame yoo xamante ne dañ ko nar a continuer dans toutes les communes parce que ñun loolu la ñu xam dañ ko war a continuer ci région yëpp ngir encourager jigéen ñi ci wàllum mbay bi ñu demee tourner Casamance demoon nañ ci Dialokounda muy dëkk boo xam ni mi ngi à 25 km de du croisement Diaroumé ki nga xam ni mooy seen responsable mooy nekk suñu point focal foofu di mohamed Diallo mi teew fii mayoon nañu benn suuf tool boo xam ni dañ ko jagleel jigéen ñi ndaje boobu tax na tamit benn responsable politique bu bokkoon Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Yeumbeul Sud muy Serigne Moustapha Cissé Djamil wax ne tey moom fu mu toll nii bàyyi na Benno Bokk Yaakaar te daal di ñëw dugg si ci PCS jéngu tabax Sénégal. tey Serigne Moustapha di président mouvement des grands directeurs ak bépp mbooloo moo xam ne ni ànd na ak moom ñu bokk mouvement bi génn naa définitivement ci Benno Bokk Yaakaar ñëw liggéeyal. le président Boubacar kamara loolu nag ñi nga xam ne ñoo jiite parti bi di ko rafetlu di wax ne dinañ ko gunge si lu mu bëgg. keneen jox ko yéen fii si diwaanu Padoa Théodore Semedo gi